et l'éducation dans la famille. Vraiment, c'est une œuvre de longue haleine et qui commence normalement très tôt. Et traditionnellement, nous savons que ça commence depuis la gestation, depuis que l'enfant est, dans le ventre de sa mère. Avant même la naissance. Avant même la naissance. Parce que, par exemple, on dit que si vous, euh, la femme enceinte dort beaucoup, eh bien, son enfant sera paresseux. <laughs> Donc, euh, vous voyez, il y a déjà des idées pour cette éducation-là de euh, la grossesse. Et ça doit continuer parce qu'il faut déjà avoir des objectifs. L'éducation, il faut qu'il y ait des objectifs et travailler pour les atteindre ce n'est pas dire que, bon, je veux que mon enfant devienne euh, un homme vraiment respectable et respecté, quelqu'un vraiment qui a atteint un très haut niveau euh, dans la société, mais il faut travailler pour y arriver. Hein? Ce n'est pas euh, seulement avoir cette idée. Il y a l'installation des habitudes, comme j'ai dit dès le début. Il faut que l'enfant est déjà l'habitude vraiment de respecter les règles, d'être courageux, de travailler, tout ce qu'on veut, en tout cas est euh, devenu adulte. Et cela il y a donc euh, le comportement propre des parents, de la façon dont ils euh, se comportent. L'enfant regarde lui aussi et c'est déjà un apprentissage. Hein. Il y a aussi euh, l'orientation vers des valeurs. Hein. Et ça... Vers des valeurs, vous voulez dire les euh, us et coutumes Oui, les us et coutumes. La religion. la religion et aussi vraiment toutes les valeurs dont on pense que ce sont les meilleures de quelqu'un qui est, travailleur, de quelqu'un vraiment et euh, qui est digne, hein, qui respecte les gens, tout cela, et toutes ces valeurs avec euh, les, donc, euh, les valeurs euh, aussi morales, hein, les valeurs intellectuelles, tout cela, il faut vraiment que ça soit inculqué à l'enfant et quand il continue à grandir, que ça l'accompagne aussi. Donc, c'est pas que il faut attendre, non ces valeurs, ça vient, euh, on le fait doucement et chaque fois en canalisant, en orientant euh, l'enfant. Hein. Ne pas le laisser euh, acquérir hein, des valeurs, acquérir vraiment des comportements qui sont contraires. Hein, qui sont contraires à la déontologie, qui sont contraires à la vie dans la société. Et parce que nous savons que l'éducation, il y a celle qui se trouve dans la euh, qu'on fait dans la famille, mais il y a aussi l'éducation dans la rue et il y a aussi l'éducation à l'école. Et l'éducation dans la rue, maintenant, nous sommes en train de constater qu'elle est même en train de prendre le dessus avec euh, toutes les informations qui viennent de partout, d'abord avec les camarades, avec la télé, avec Internet, et ce n'est pas toujours des informations recommandables. Alors, Madame Foudi Halima, comment ça se passe concrètement au sein de la cellule familiale, surtout quand on sait qu'il euh, y a beaucoup euh, de parents qui ne savent pas <laughs> comment éduquer leurs enfants Oui, donc euh, dans la cellule familiale, ce que nous constatons actuellement, c'est que euh, bon, c'est ça qu'on a appelé Moi, je, je pense que peut-être qu'ils aiment trop leurs enfants et ils n'arrivent pas vraiment à les remettre à leur place. Hein? Et comme ça, quand euh, un enfant, nous, euh, avant, on dit que ah, il ne faut pas que quand il va en ville, qu'il demande qu'on lui donne quelque chose, surtout à manger. Et quand on met l'enfant au dos, on dit mettez-lui ses mains Hein, dans le pagne pour qu'il n'ait pas la possibilité de tendre la main. Mais ici, on voit que ce sont les parents. Oh, c'est des valeurs, tout ça là Oui, ce sont des valeurs. Et celui qui est habitué à tendre la main, c'est le gros problème qu'on a actuellement. Vous avez vu tous ces eh, parents avec des petits-enfants qu'on envoie pour qu'ils aillent commander auprès des gens dans la rue. Hein? Alors que vraiment, c'est contraire à nos valeurs. Hein? Et c'est même une éducation. Si tu ne sais que tendre la main, eh bien, tu vas grandir et chercher à tendre la main. Et bon, parfois, peut-être apprendre même ce qu'on ne t'a pas donné. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué à tendre la main, obligatoirement, il va chercher une voie pour avoir ce dont il a besoin. Mais si on sait que vous devez tendre la main, c'est grave. Donc, et aussi, je ne sais pas, peut-être c'est la pauvreté des parents qui fait que Bon, certains parents, mais même ceux qui ne sont pas pauvres, et qui fait comme l'enfant devant, eh bien, comme je l'ai dit, qu'on le laisse faire ce qu'il veut. Par exemple, l'enfant, quand il va à l'école, bon, peut-être sous prétexte de lui donner le temps de travailler, à revenir à l'école, euh, de l'école, on le laisse, il ne fait rien et il s'habitue à l'oisivité. Hein? Et aussi, quand il fait des choses, on dirait que les, les parents ont peur de lui dire non, ce n'est pas ça. Eh bien, tout ça, c'est un apprentissage. Il enregistre tout